di leen di leen gërëm. waaw waaw waaw xam nga yow jàppale bi leer na clairement maa ngi recevoir des mots de de tout le monde. waaw léegi nag. gërëm di leen sant waaw maintenant nag waa vider ce truc là. et puis je vous retrouverai parce que xam nga jot naa fi def naa fi juróomi weeri koor ak juróomi korité

ah ngeen dégg dégg liñ may laaj mu laaj ko ma tontu leen. bu ñu génn nag wax leen. ok c'est pas ça fait cinq ans waxuma dara. waaw wax nga dëgg rek. man ngeen déggu. wallaahi voilà jeex na. baax na kooku ay muñ leen rek. moom kay mais mais mais toogaay bi mbaa méttul nag président toogaay bi métti na de. six six neuf heures neuf heures ba léegi. ah non non non toogaay du doon toogaay. ñëpp la si ñeent am problème. léegi baa ngi taxaw Euh, le vieux Connaissant son circuit professionnel au Sénégal, il était l'un des fondateurs de la République du Sénégal, avec les Seigneurs jusqu'à présent. Donc il mérite euh, d'être soutenu. Euh, euh, l'Amérique, mais le gouvernement français, les médias français, mais l'ont soutenu. Il est libre comme l'air. mais il jàppale Il ko ko fille euh, fi Bravo aussi à la presse sénégalaise parce que ce serait quand même euh, un paradoxe qu'un personnage comme Lamine Diak euh, passe à la barre sans la présence des journalistes sénégalais. Donc aujourd'hui, bravo, n'est-ce pas, à ces confrères qui ont permis euh, à nos compatriotes d'avoir cette information. Sinon, on se serait contenté seulement de la relation des médias occidentaux qui n'ont pas forcément les mêmes visions que nous rapport à la couverture de cet événement. répercussions mondiale parce que pourquoi Parce que ça concerne une grande fédération qui est la Fédération internationale d'athlétisme, qui est suivie par les médias occidentaux, par les médias russes, par les médias africains, principalement les médias, les médias sénégalais. Suivre un procès, ce n'est jamais facile parce que ça demande des longueurs d'interrogations, des longueurs de débats, des longueurs de discussions. Suivre un procès ne sera jamais facile, il faut avoir de la patience. Pourquoi Parce que ce procès est programmé pour une durée d'un mois vu l'état de santé des personnes qui sont concernées par M. Diak, apparemment le tribunal aurait décidé de rétrécir la longueur de ce procès pour en faire deux semaines pour dix jours au maximum. Le président Diak, euh, une grande personnalité, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le, sport, qui, a connu un, parcours extraordinaire. La Diak, euh, tout le monde le connaît, déjà ses 16 ans à la tête de, de, de, de il a été maire de Dakar, il a été euh, président du CNOS, il a été président du CEO. En tout cas, il a beaucoup, beaucoup de casquettes, il est une grosse personnalité sportive, donc c'est tout à fait normal que son procès attire en tout cas la curiosité des gens qui, viennent pour couvrir ça pour le monde entier. Alors, cette première audience est extrêmement importante pour nous parce qu'elle a permis de clarifier un certain nombre de choses la première chose qui a été clarifiée, c'est le rôle qui a été joué par M. Habib Sissé. Habib Sissé a confirmé ici qu'il était conseil juridique, donc en tant qu'avocat, intervenant pour l'IAF, et il a précisé que M. Lamindiac ne lui a jamais demandé de freiner quoi que ce soit. Il lui a seulement demandé, comme à d'autres, de gérer de façon raisonnée la question relative à la sanction des athlètes russes, que cette décision-là était été prise dans l'intérêt de l'IF, qu'il n'y avait aucune contrepartie financière et que dans ces discussions avec la jamais il n'a été question d'argent. Euh, monsieur Lamindiac a été très clair sur deux points. Le premier point, c'est qu'il n'a jamais demandé de l'argent aux Russes pour une campagne électorale sénégalaise. Le deuxième point, c'est qu'il n'a jamais reçu de l'argent des Russes pour la campagne électorale sénégalaise et que sa seule motivation d'une gestion raisonnée du problème de dopage des athlètes russes, c'était la santé financière de l'I2AF. Diak a dit aujourd'hui qu'il n'a pas sollicité de l'argent venant des Russes. Euh, ce qu'il dit, c'est que lors d'un déjeuner ou d'un dîner, la question de la politique sénégalaise a été abordée, la question de la campagne électorale sénégalaise a été abordée, le montant d'un million cinq d'euros a été abordé, mais jamais sous une demande de forme, sous, la forme pardon, d'une demande et jamais il n'a dit qu'il aurait reçu cet argent-là. Donc, quand il parle d'aide donnée à des jeunes au Sénégal dans le cadre d'une campagne électorale, ce sont peut-être des contributions qui viennent de lui à titre personnel ou de gens qu'il connaisse, mais en tout cas, ça n'a pas de lien avec le dossier qui nous concerne, c'est-à-dire le dopage en Russie. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On lui a montré en email, en lui disant que ça émanait de son fils, dans cet email, il était dit que Massata aurait remis de l'argent à des membres de l'IF pour les corrompre. Donc il dit cela serait un comportement de voyou. Mais il n'a pas dit que son fils était un voyou. Bah, c'est vrai que la phrase a surpris parce qu'elle a été très, très sèche, hein, finalement très, très violente. On s'attendait pas vraiment à ce qu'il sorte cette phrase-là comme ça. J'ai constaté comme un, comme un voyou. C'est quand même assez fort de la part de la médiaque vis-à-vis de son fils. Après, est-ce que c'est pour impliquer un peu plus son fils qui n'est pas là. Hein, il faut quand même le rappeler, c'est quand même le principal absent de la procédure à Paris. Moi, je n'en suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup de postures, donc du coup, il faut toujours essayer de démêler entre les postures et la vérité. Et c'est ça qui est assez complexe dans ce dossier. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas facile du tout. Euh. Mais le vieux, de toute façon, euh, qui, malgré son âge, euh, se comporte très bien. À mon avis, il collabore et il est objectif également dans ses déclarations. Je n'ai pas vu un seul point qui, peut l'enfoncer. Je n'ai pas vu une seule réponse de sa part qui l'enfonce. Au contraire, euh, il a essayé de se, de, se disculper en donnant des justificatifs euh, à ses agissements pendant qu'il était président de, de l'institution. Également, il avait donné comme argument de fermer les yeux parfois sur des choses anormales pour simplement assurer une certaine, un certain équilibre financier de l'institution qu'il dirigeait à l'époque. Mais il n'y avait en aucun cas, euh, en tout cas, une attitude de nature à assurer un enrichissement personnel de sa part. Donc, euh, à mon avis, euh, il, peut, il ne peut pas s'en sortir de 100%, mais il peut échapper à une peine d'emprisonnement, à mon avis à supposer qu'il y ait eu un conflit d'intérêts, euh, ce qui n'est pas le centre euh, du dossier, euh, un conflit d'intérêts ne crée pas une infraction pénale. Et on a la possibilité, et c'est permis, d'être avocat à la fois de l'ideosaf et également d'une fédération membre. C'est donc tout à fait distinct de toute infraction pénale. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est lorsqu'il disait qu'il a peut-être été imprudent, notamment dans ses échanges avec Pape Massatadiak, sur le fait qu'il y ait des textos qui ont été euh, racontés aujourd'hui à, la barre, mais que lui a des conversations téléphoniques et qu'il regrettait de ne pas avoir mis sur écrit euh, ce qu'il avait à lui dire. Est-ce que c'est pas euh, peut-être problématique justement ce, ce fait-là, le fait qu'il peut-être aurait dû consigner cela un peu plus Quand vous êtes accusé injustement d'une infraction, et quand euh, on vous impute euh, des faits que vous n'avez pas commis, eh bien oui, euh, vous regrettez parfois de ne pas avoir la preuve parfaite pour essayer de, démontrer que vous n'avez rien à voir dans les faits qui vous sont reprochés. Mais cela étant, il y a d'autres éléments dans le dossier et Abib Sissé s'est expliqué aujourd'hui et il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. On ne fait que regarder ce qui se passe et d'avoir un avis, puis ensuite, enfin d'avoir du moins une sensation, mais qu'on transmet l'effet au, à nos téléspectateurs. Euh, en tout cas, il y a une chose qui, est claire, c'est qu'il est vraiment impliqué de plein de manières différentes dans cette histoire-là. Il y a la campagne au Sénégal, il y a euh, une autre affaire qui n'est pas abordée, mais c'est les achats de voix, ça sera fait dans une transaction. il y a également justement le fait d'avoir euh, couvert le dopage de beaucoup d'athlètes russes en échange de sponsoring pour la survie de li 2 Il répète justement que lui, ce qu'il importait, c'était la survie de li 2 Alors, est-ce qu'il est convaincant Pas encore, à mon avis, pas encore. Ce qui justifie euh, cette demande, c'est que les prévenus, et c'est le tribunal qui en décidera, ont porté un préjudice considérable à la lutte antidopage. On salue euh, toutes les institutions qui luttent contre euh, le dopage. Et donc l'Agence mondiale antidopage étant, ayant cette responsabilité au niveau international, ayant été taxée à tort de ne pas avoir fait son travail, je dis à tort, cela a été abondamment démontré au cours des débats, euh, est en droit de demander la réparation de son préjudice moral. J'ajoute, euh, et je viens de le plaider, euh, que pour ce qui me concerne, je considère que ce procès est celui de la corruption, de la vénalité, de la cupidité, de l'âpreté au gain, et que l'ensemble des prévenus, y compris ceux qui sont absents, se sont comportés comme des pilleurs et se sont servis dans les caisses d'une fédération qui pour l'un euh, la présidait et pour l'autre notamment la conseillait et l'assistait. Donc cela est inadmissible euh, et cela a causé un préjudice considérable à l'ensemble euh, du sport et de l'athlétisme. Et vous le savez, à la suite de l'enquête qui a été menée par la commission d'enquête indépendante de l'AMA, d'autres faits ont été révélés et des faits qui concernent l'attribution irrégulière des JO de Tokyo, des JO de Rio et de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc vous voyez, c'est un peu la théorie du battement de l'aile du papillon, mais d'un gros papillon, euh, qu'on n'en a pas encore fini avec euh, l'argent sale dans le sport, avec euh, la cupidité et l'avarice, et que j'espère que bientôt ce chapitre sera définitivement clos pour un sport propre pour les citoyens et citoyennes du monde entier que nous sommes, mais aussi pour les sportifs, parce qu'il faut d'abord penser à eux et à eux. C'était fort. C'était très fort. C'était très fort. Comme quoi, comme quoi Sante Jack, ouais. Jack c'est pas, pas une tare. Bien au contraire. C'est tout. Ah, non, c'est tout, c'est tout. Bah, ah, non, c'est bon, c'est tout. Je recadre les choses. Sante Jack, bon, c'est pas une tare. Non, man, man, béguma, contanuma, meruma, d'arrêt lépp moom ci loxom waaw sante yalla rek moo il y a pas de hasard dans la vie waaw je n'ai aucun mérite d'être jack yalla yalla moko ko baaxee rek te maa ko ci sante motax tax ma recadré ko ma jack la sante laa sant aw ma ci benn benn aw ci ñaawteef gisuma benn ñaawteef maa ngi koy quand tu as passé deux semaines il y a une tension et tu arrives à la fin il est normal que hein, sportif là avant un match et après un match c'est pas la même chose. Comme c'est une difficulté depuis le début on s'en plaint on avait d'ailleurs demandé le report justement pour que euh, pour pouvoir préparer sa défense avec lui mais il ne peut pas pour l'instant quitter le Sénégal. Bah, je considère qu'il n'a pas commis une donc je ne vois pas très bien à quel titre il ira en prison justement euh, mise en pâture et notamment euh, par le, je trouve, le réquisitoire et par, euh, par, par, certains médias qui ont hélas véhiculé des fausses informations qui sont tout à fait vérifiables et peut-être les seules informations vérifiables de ce dossier parce que vous avez des contrats conclus par Densou, des contrats conclus hors du champ de Densou, 7%. Est-ce que donc le reproche d'abus de confiance il peut aisément sauter avec cette histoire je ne sais pas s'il peut aisément sauter parce que euh, nous avons vu qu'il y a énormément, euh, il y a une politique déjà euh, presque faite en, réalité, mais à mon sens, il n'y a pas eu d'abus de confiance, il y a une confiance honorée et bellement honorée. Le, reproche qu'on fait à, Papa Papin finalement, le seul qu'on peut lui faire, c'est d'être un peu cher, c'est tout. Mais c'est un bon commercial. Merci. Le plus injuste. Alors, je commencerai par dire que mon client est soulagé il est à la fois soulagé et fier. Soulagé d'avoir pu s'exprimer, d'avoir pu dire sa vérité, et fier parce qu'en regardant ce dossier, nous avons démontré qu'il y avait d'énormes faiblesses, des faiblesses dans l'accusation. Et aujourd'hui, il considère qu'il est injustement mis en cause, il n'y a aucune preuve contre lui. Le parquet reconnaît lui-même qu'il a des doutes, sauf qu'il est vraiment contradictoire. Il est contradictoire parce qu'il affirme à la fois le doute et fait des réquisitions extrêmement sévères. réquisitions sévères pour un homme qui a 87 ans, pour quelqu'un qui a toujours servi le sport et dont la culpabilité n'est pas du tout démontrée. Donc la compte sur le tribunal. Il attend avec beaucoup d'impatience et de sérénité la décision qui, on l'espère, sera une décision courageuse. Bon, écoutez, vous, vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie. C'est un principe de, chaque vie humaine, c'est de faire des erreurs des maladresses. Euh, il en a fait, il l'a reconnu, bon voilà, très bien. Et il y a un autre principe qui est celui, euh, qui, dans une démocratie, qui fait qu'on condamne quelqu'un, surtout pour euh, des infractions de cette nature, que si la preuve est rapportée de façon solide, claire, précise, cette preuve n'est pas apportée, n'a pas été rapportée par les deux représentants du parquet. Et nous disons même que c'est précisément parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que ce dossier qui est parti comme ça, comme une fusée, euh, du fait de la découverte tardive par un certain nombre d'acteurs euh, et de responsables publics euh, de, cette culture du dopage qui pouvait exister en Russie ou ailleurs, est parti comme une espèce de fusée. et finalement, aujourd'hui, pour nous, ce dossier s'est complètement dégonflé. Et que du côté du parquet, la tâche était vraiment très difficile. Euh, et la longueur de leur réquisitoire est, à notre sens, euh, euh, inversement proportionnelle à la qualité des preuves du dossier. Donc il ne faut pas vendre la peau du jugement avant qu'il soit, séché, soit séché, mais nous sommes confiants dans le fait qu'une décision de relax, ça c'est pas un crime. Ils hein, il avait fait une œuvre fantastique avec permettant l'internationalisation, la modernisation de la fédération elle a, eu, a un comportement qu'on peut apprécier euh, de mille ou une façons. En tous les cas, ça n'est pas une infraction. C'est tout. Ici, nous ne sommes pas euh, devant des juges de la morale ou de la déontologie. Nous sommes devant des juges. La Diak, pays, euh, dafa parce que nous avons jugement ñu procès depuis cinq ans que parce que avocat

loolu nañ ko xool te dañ laaj juge bi mu autoriser ko mu mun a parce que dañ ko fi teewoon di naan parce que buñ ko bàyyee kon du fekk procès bi léegi fekk na procès bi procès bi jeex na donc amatuñu benn raison pour bañ ko bàyyi mu dem Sénégal gis njabootam gis réewam gis waa dëkk ba euh, nuyu leen jàmmanteeg ñoom maintenant qu'il a été entendu il n'est plus à notre sens justifié qu'on le maintienne en France. Il devrait, pour les raisons juridiques, pour les raisons humaines, pouvoir retrouver son pays, sa terre et sa famille. Donc vous allez introduire une demande en On va en discuter avec lui et je suis sûr qu'il y sera favorable. La ligne de défense de la est de dire que lui a toujours travaillé dans l'intérêt de l'association et que jamais, jamais il n'a demandé de contrepartie. Donc il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Donc, tu n'as pas d'abus de confiance. Et par conséquent, tout ce qu'on lui reproche, c'est avec des approximations, c'est en faisant des liens avec des mails, des coups de téléphone, des SMS dont il n'est pas l'auteur et qu'il n'a pas reçu. Et par conséquent, lui a la conscience tranquille et euh, nous considérons que le droit doit être appliqué et non pas la morale. Sur le plan de la morale, certaines décisions qu'il a prises peut poser question, on peut s'interroger, mais en tout cas, il n'y a aucun élément qui permettrait de se dire qu'on pourrait le condamner.